Chers auditeurs, auditrices du studio Kalangou, bonjour à vous. Ravi euh, de vous retrouver pour euh, ce premier numéro de la semaine de notre émission Le Niger sur Kalangou en ce lundi 19 août 2024. Où que vous soyez, merci d'être avec nous. Euh, vous nous écoutez via nos radios partenaires et en streaming sur le www.studiokalangu.org. Je suis Ali Munkela alias Seno et je suis accompagné de Mariam Adé pour la présentation. À la technique, nous avons Issa Lawali et à l'édition, nous avons la grande dame Adama Dawaki. Bonjour euh, Mariam. C'est comment c'est non Je vais bien, Dieu merci. Alors, quel est le programme du jour Mariam, aujourd'hui, nous allons comme d'habitude servir du lourd à nos auditeurs. Nous commencerons par euh, un flash d'informations percutant, suivi d'un assortissement musical mettant à l'honneur euh, la musique nigérienne, euh, bien évidemment. Ensuite, nous passerons à une séance passionnante du loti avec l'équipe féminin du studio Kalangu suivi d'analyses sportives captivantes de notre chroniqueuse d'aujourd'hui. Il s'agit de Salamatou Kadri, sans oublier la section dédiée à la culture linguistique. Toujours dans ces menus, nous dans la rubrique invitée du jour, nous recevons Ibrahim Abdullahi. Il est le deuxième vice-secrétaire général du comité directeur de l'Union scolaire nigérien. Avec lui, nous parlerons du projet de rééducation populaire pour un changement de comportement intitulé Illumida Nasiha qui pilote actuellement l'ISN dans la rubrique Éco des régions. Nous irons à DIFA pour parler du métier de blanchisseur de bonnet. Fidèles auditeurs, installez-vous confortablement pour passer un moment inoubliable à notre compagnie. Voilà, sans trop tarder, je vous propose de suivre le flash d'information avec Nafissa Adamou Sirfo. Bonjour Nafissa. Bonjour Seno, bonjour Mariam. Bonjour Nafissa. Bonjour à tous et bienvenue dans ce flash d'information. Suite aux fortes pluies enregistrées euh, ces derniers jours, le directeur général de l'hydraulique, euh, de l'assainissement et de l'environnement, Abdou annonce que les trois ruptures de voies de Sarogoro sur l'axe niamé filengue sur l'axe niamé dosso et enfin Dunga sur l'axe niamé kolo sont toutes générées par la du Kori Walam, un kori ayant un vaste bassin versant qui débute depuis Tizagourou dans le nord Walam. Par conséquent, il est recommandé une forte vigilance et surtout ne pas s'engager à s'aventurer tant que les phénomènes pluviométriques se déroulent en continu dans ce bassin versant. Et notons que la côte du fleuve Niger à est de 598 cm le 18 août 2024 à 14h, soit 18 cm au-dessus de la côte d'alerte à Orange au niveau de la dite station. Le président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, chef de l'État, grand maître des ordres nationaux, le général de brigade Abdrahman Chani, a décerné le vendredi 16 août 2024 la médaille de la souveraineté Saraunia Mongu au commissaire du COHO, Imam Ali Ben Salah, cela en reconnaissance des services rendus à la nation, notamment la bonne organisation de l'édition du Hajj 2024 par le commissariat à l'organisation du Hajj et la Umrah. Enfin, le ministère du Commerce et de l'Industrie rappelle aux concitoyens qu'il est interdit jusqu'à nouvel ordre l'exportation du riz paddy, le riz blanchi, le sorgho et le mil, cela pour assurer l'approvisionnement régulier du marché national. Des instructions ont été données aux agents du ministère du Commerce et aux forces de défense et de sécurité de réprimer tout contrevenant aux dispositions du présent arrêté conformément au texte en vigueur. C'est la fin de ce flash d'information Bonne suite à vous. Merci infiniment, Nefissa, pour euh, toutes ces informations. Chers auditeurs, euh, comme annoncé tantôt dans la partie invitée du jour, euh, nous allons recevoir dans quelques instants le deuxième secrétaire général adjoint du comité directeur de l'USN qui va, avec lui, nous allons nous entretenir sur le projet piloté par cette structure. Il s'agit bien du projet ILMI NSIHA. Amisali, ah, alors euh, avant que euh, le, deuxième euh, secrétaire général adjoint du comité directeur puisse nous rejoindre dans ce studio, nous allons savourer avec vous, chers auditeurs, une façon de vous permettre de vous installer confortablement dans cette émission. Nous allons écouter la première musique de notre sélection d'aujourd'hui. Il s'agit du titre Jelly de l'artiste Diasibo Chris. lal poni sangban lo ya bi yel kanda ma kiri sangban lo ya bi yer kamna o pa do sangban lo ya bi yer kamna ma jiri ba yu ha mo wa yer le ma jiri ya mo sam mo wa yer le ma jiri ti la mo wa yer le yo ma jiri dal mo wa yer le sang love you. Chambiano alias Sajas Chris Asseline de figures emblématiques du reggae nigérien, artiste, peintre, designer, dessinateur et musicien. Diaz a fait partie de l'ancienne génération des musiciens qui ont fait plusieurs casquettes. Il inspire toujours des chansons rythmiques de son territoire. Et eh oui, Mariam, c'est lui le propriétaire de la galerie Tawedo une galerie assez spéciale hein, hein, puisqu'elle se situe en plein quartier populaire de Niamey. Un moyen pour euh, son initiateur, le peintre Diasibo, euh, alias Dias Chris, euh, hein, d'intéresser bien évidemment le citoyen lambda à l'art. Donc la, résidence veut également une vitrine pour les artistes locaux en quête de visibilité, une plateforme de promotion de l'art nigérien. Son répertoire musical est divers et varié et qui peut hein, s'adapter partout. Influencé par les airs gourmandiers, un groupe euh, auto-linguistique se trouvant euh, un peu au Mali, au Burkina Faso et au Niger, il s'en inspire pour en donner hein, du style et de la prestance euh, voilà, à travers un style qu'il a nommé l'Iptako Reggae. jal kon na kan wore ina kwasi junti si arkuga yollo jala monande lal poni sangbalo ya o pondo sangbalo ya bi kanda ma kiri jamwala ma kiri jamwala ma

Voilà, chers auditeurs, à l'instant, c'était bien le titre Jelly, chanté par l'artiste Jazz Chris. Alors, euh, Mariam, nous allons passer euh, à la rubrique hebdomadaire en attendant l'arrivée de notre invité du jour. Exactement, nous. lorsqu'une personne est condamnée, elle perd certains droits civiques et parfois liés aux hautes fonctions de l'État. Néanmoins, la loi peut réhabiliter la personne dans ses droits selon Morgagere Bilala, le substitut du procureur de tribunal des grandes instances d'Agadeza. Interrogé par notre correspondant Agadeza, des propos recueillis par Anissé Karim, blondio studio par Habib Garba. Il existe une mesure prévue par la loi qui permet aux personnes ayant déjà eu affaire à la justice de se blanchir. C'est ça qu'on appelle la réhabilitation. C'est la, la, juridiction compétente à réhabiliter la personne, se basant sur un certain nombre de critères selon Omorou Gazere Bilal, le substitut du procureur près le tribunal des grandes instances d'Agadez. En pratique, euh, c'est une mesure euh, qui intervient après la purge de la peine. Donc, euh, le condamné adresse la demande à réhabilitation au procureur de la République de sa résidence actuelle. Cette demande précise la date de la condamnation, les lieux où le condamné a résidé depuis sa libération. Le procureur de la République s'entoure de tout renseignement utile aux différents lieu où le condamné a pu séjourner. Le procureur de la République s'est fait délivrer une expédition de jugement de condamnation, un extrait du registre des lieux de détention où la peine a été subie, constatant quelle a été la conduite du condamné, un bulletin numéro 1 du casier judiciaire. Maintenant, il transmet les pièces avec son avis au procureur général. La réhabilitation est importante pour un condamné car la personne va jurer de tous ces droits, confirme Omar Gazer Bilala. À partir du moment où la Chambre d'accusation rend sa décision si effectivement le demandeur est réhabilité, les incapacités liées à sa condamnation cessent de produire leur effet. Si il encourait une inéligibilité, à partir du moment où il est réhabilité, il redevient, si vous voulez, un citoyen normal et pour l'avenir. Mais en cas de rejet de la demande, il existe une voie de recours devant les juridictions compétentes, explique le substitut du procureur d'Agadez. La décision de la Chambre d'accusation quant à la demande de réhabilitation, il y a une voie de recours parce que effectivement l'article 733 le dit clairement l'arrêt de la chambre d'accusation peut être déféré à la chambre judiciaire de la Cour suprême dans les formes prévues par le présent code. Voilà, chers auditeurs, à l'instant, c'était bien euh, notre rubrique hebdomadaire justice. Poursuivons cette émission, euh, cette fois-ci avec euh, de la consommation musicale. On va consommer le deuxième titre de notre sélection musicale et cette fois-ci, je vous propose d'écouter bien évidemment l'artiste dans l'AFIA qui nous chante ici Ya Saido. En Saido. <laughs> rabbana ya Allah ni na roka tabarika rabbana ya Allah ni na roka Allah kai ka na

za ka je ka gona in ka iya ka yi ka kwali ruwa in eh, kana so Chers auditeurs, c'est le titre Carrière Caché de l'incontournable Alea Chibli et de l'orchestre Haske Stara. Et oui, le Haske Star est créé en 2008. Le groupe est composé de 10 membres chanteurs principal, guitaristes, euh, guitariste, euh, trois guitaristes, trois choristes un percussionniste, une danseuse. Leur musique s'inspire du rythme traditionnel des Gambara, une musique locale de la région de Zander. ka biyo ta kankare sai ka tsaya a korama ka baki san gidanmu ba kai wai kai ka san gidanmu ne eh, yaya ake aje sai ka bi kan tudu ka biyo ta

El Kacha. Voilà, c'était là le titre euh, de cette chanson que vous venez euh, d'écouter, composée par Ali Achibidi et l'orchestre Haske Star. Alors, après cette euh, pause musicale, chers auditeurs, direction d'IFA, la capitale du manga, pour parler du métier de blanchisseur et de bonnet. Il s'appelle Gwani Ali, un natif de Difa qui travaille comme Blanchichera, indépendant de bonnet homme afin de subvenir à ses besoins quotidiens et ceux de sa famille. Comment il gère son travail et les défis auxquels il est confronté, écoutons l'entretien qu'il a accordé à notre correspondant Guidi Abdurrahman. sana wani irin kake kala kala ne akwai akwai yaudi akwai kurrata kai har ma da a haye wannan wankin hulan da kake yi kamar za ta kullum ne kake yin shi gaskiya in ka lura yanayin garin ba kullum ba ne nake yin shi wataran wataran ne yau in yi jibi ban yi ba gata in yi abin da yasa dan saboda wani lokaci ba na samu kayan aiki isasshe wani lokaci na samu kayan aiki ma babu a lokaci ya kure man mutane in sun zo ni na yi musu foran da dan saboda dukkanin wannan abubuwan nan hanyar ba samu kayan aiki za ka iya gaya mana kalolin wanki da kake yi akwai mai gilas wanda har in ka sa ko madubi ne ake cewa da hausanci mm. kamar madubi Mm. wankin da in ya samu wanki mai kyau akwai normal akwai mai walkiya wankin kala uku kudin wankin nau da nau da nau duk gudun sa bai wuce dubu guda ba mm. mai gilas da ake kiran shi din mm. shi normal ko dari biyar zamu karba sama da dubu daya dai har ga Allah babu to yaya kuke yin wankin eh to na farko in an kawo hula za a tambaye sunan shi za a rubuta cikin hulan. na biyu zai dauke shi a foto don gudun karya bacin na uku mu sashi cikin roba mu auna shi kan nashi sannan mu zuba ruwa sai in ya kwana tukuna sannan mu wanke bayan mu wanke shi kuma sai yara su je su siya karo su dawo sai mu sha kuma mu shanye shi ya bushe sai in fesa shi halko kuma in sa cikin tirmiyan kolin da ake kiran shi wannan sai in yi gugan shi abin da ake sa shi mai sunan shi koli koli in kala kala eh koli kala kala ya kai mutane ne kawai da hmm. kala kala amma dai har ga Allah kolin ya yi mana karanci dan saboda mutane sun zo wani ya ne korin ka babu ya ne kayan aikin ka ma bai ishe ka ba ne kuma yaran da suke bukata din ma kafin ka samu wannan kayan aikin ma sai ka kashe kuɗi diyawa. gashi kuma kai mai karaman karfi ne yara kamar nawa suke aiki a kasan yara dai da wanda suke aiki a waje na ya kai guda uku yanzu dai bai wuce guda biyu shi abin da ya sa wani lokaci aikin gashi nan yana zuwa wani lokaci baya zuwa ba ka ce babu ba wani irin matsaloli kake fuskanta cikin tayin ka. eh to matsala dai guda biyu na farko dai har yanzu ban samu in zauna waje guda in yi aiki kenan waje na biyu kayan aiki na uku shine rashin jari to za ka iya ba ma matasa horo ka koya musu wani aiki zan koya musu sosai ko mutum dari suka zo ma in kan abuɗe wannan ya zo ya koya ya je ya bude shi ma wani waje dan aikin hannu wannan ba wani aikin da ya fi shi a duniya nan musamman ma kai mai karamin karfi ne wannan aikin wani amfani yake baka eh to alhamdulillah wallahi na samu amfani dan saboda wannan aiki nake yau ya kai sama da shekara goma a cikin shekara goma nan na samu kare na siya na yi arme har yanzu na rike a matana da uwayena cikin shi wani fandi in ka duba wani yaro kwata-kwata baya son sana. shi wannan abin da nake kira matasa dan Allah dan annabi su tashi su nemi sana'i yanzu in ba sana'a zama banza wannan ba ta jara kuma ire-iren mu matasa irin mu wannan idan mun zauna a gari mu sani fa in shekaru ya tafi mu ne manyan anguwa kar mu raina sana'a Voulez-vous connaître les artistes nigériens Voulez-vous avoir des notions sur la technologie de l'information du cinéma nigérien Est-ce que la vie dans nos régions vous intéresse, ainsi que le sport, les questions de justice et de santé L'environnement et le changement climatique Le portrait des hommes, femmes et jeunes nigériens Alors câblez-vous sur votre émission Le Niger sur Kalangou le Niger sur Kalangu est une émission qui rythme la mi-journée du lundi au vendredi sur le réseau des radios partenaires de Studio Kalangu. Le divertissement et l'information sont au cœur de cette production. Voilà, chers auditeurs, on poursuit euh, cette émission toujours avec de la consommation musicale parce que l'émission fait également la promotion de nos artistes locaux. Et cette fois-ci, nous allons euh, déguster le titre que j'ai annoncé tout à l'heure qui n'a pas été joué. Il s'agit du titre Yansa euh, Ansa Ido de l'artiste Dan Lafia. C'est parti. bar jahiltar harka ta rabba da addu'ar iyaye muka takama su suka ce Allah kiyaye ina ruwa na da ku yan sa ido kuna ruwan ido magautan mu kuna ruwan ido ku na sa ido ba daɗi na duniya ba munafinci ba to a hakan kuke ta zagira me daki ya san wurin da ke mai yoyo wasu na ɗauka alhaki na wayo ba ku da masanin hakan ɗan juyo da an yi kiran dai uwa akwai dai baba da kaji ana saki-saki ba a kamu ba tun da an ce dauka kawai ake yin rauni dan makahon daji shigarsa ko kwai illa wuta a jikin dan fasa ya kwalla muna gani muna yi muna salo da yayi ko kuna ta yin bulaye tun da ilahu ya aran dama za mu dama munafukai ake cema yan kunama shi munafiki tun daga ran da an ka haife shi mamar sana na dama san da Allah ba kuma ku bakwa ga da kunya ba a bakin gidan a lalle a bakin gidan ga. a bakin gidan ga. ba su ga da faɗi na gaskiya ba a bakin gidan ga. ba su ci da arziki ba a bakin gidan ga. munafunci ne gami da zamba a bakin gidan ga. nan ne tushen ai ba zan rufe ba a bakin gidan ga. ba su yarda da kaddara ta Allah ba a bakin gidan shi bai so a bakin gidan yaro s'appelle Yahya Mohamed, il chante depuis bientôt 5 ans, il est acteur, interprète et chanteur. Il a commencé d'abord en suivant tout simplement les artistes avant de naître un, il chante pour éduquer, distraire et parler de la vie sociale. Voilà, chers auditeurs, euh, nous allons poursuivre euh, cette fois-ci avec euh, la passeport et notre chroniqueuse sportive. Et déjà dans la place, il s'agit de Salamatou Kadri. Bonjour Salamatou. Bonjour Seno. Bonjour Mariam. Bonjour Salamatou. Alors Salamatou, défaite de la GNN pour sa première sortie de la championne. Et oui, c'est nous, l'équipe de l'association e-sportive de la garde nationale s'est inclinée un but à deux face au Raja de Casablanca du Maroc ce samedi 17 août au stade général Seynoukounté de Niamey lors de la première manche du premier tour de la Ligue des champions africaine. Écoutons l'entraîneur de la garde nationale, Cheikh Omar Diabati, après le match. C'était l'entraîneur de la garde nationale, Cheikh Omar Diabaté, écoutant à présent l'entraîneur du Raja de Casablanca, Mohamed Medir, en conférence de presse après leur victoire. On a joué contre notre nature. On sait que le Raja, a, dans sa philosophie, et son ADN, a toujours euh, pratiqué un football de possession, de, construction de derrière de gardien de but. Mais malheureusement, ce n'était pas le cas. On était obligé parfois de jouer long pour euh, surmonter la, difficulté du terrain. Le plus important, c'est qu'on est sorti des matchs euh, avec moins de blessures, sauf une. Voilà, euh, toujours euh, avec euh, notre passeport. Salamatou, qualification UFOA B hein, féminine de la CAF, fin d'aventure pour l'équipe de la garde nationale féminine. Et oui, c'est nos trois matchs trois défaites pour l'équipe féminine de la garde nationale. Les Bérets Rouges ont subi leur troisième et dernière défaite la semaine dernière en s'inclinant sur but à 1 face au Hassakad, Ladies du Ghana. C'est la deuxième fois consécutive qu'elle perd dans ce tournoi Il faut IFOAB qualificatif pour la Ligue des champions féminines de la CAFA. La GNN se retrouve à la dernière place de la poule B avec trois matchs joués 0 victoire, 0 match nul et 3 défaites, 2 buts inscrits et 17 buts encaissés. Quatre clubs se sont qualifiés pour les demi-finales de la quatrième édition du tournoi qualificatif de cette Ligue des champions féminines, à savoir Ainovi euh, FC du Bénin, Étincelle du Burkina Faso, Edo Kunz du Nigeria et Inter FC de la Côte d'Ivoire la 9e édition de la Coupe Moment Show s'est déroulée du 17 au 18 août 2024 au palais du 29 juillet de Niamey. Cette grande messe du taekwondo nigérien a été organisée par la famille Amadou Tigani, dit maître Cho, champion d'Afrique et, et son fils Maharana Amadou Tigani, également champion d'Afrique en partenariat avec la Fédération nigérienne de taekwondo. Cette édition vise principalement à repérer de jeunes talents. Dans la catégorie POMSA, 38 athlètes de 14 clubs différents ont participé à la compétition et 160 athlètes de 36 clubs se sont affrontés sur le tatami, issus de 73e clubs différents dans l'option de remporter des médailles. Et c'est tout pour aujourd'hui. Merci Salamotou pour toutes ces infos sportives. Chers auditeurs, il est l'heure de découvrir notre star du jour, n'est-ce pas, non Oui, Mariam, et notre étoile du jour est Camille Lawan. Considéré comme l'un des sports les plus populaires au Niger, la lutte traditionnelle fait partie de notre identité culturelle. Chaque année, les championnats et l'occasion pour les athlètes de rivaliser pour euh, des trophées mis en jeu. Et oui, Salamatou Kadri a suivi un des, lutteurs de la région des Difa, le jeune lutteur Kamilou Lawan. C'était à l'occasion de la coupe du gouverneur de la région de Dosso. Suivez plutôt son portrait. Muna a filin kokowar gargajiya Salma Ɗarani da ke birnin Doso, a nan ne muka iske Kamilu Lawan, wani matashin ɗan kokowa na yankin Difa, wani matashi mai ƙwarin jiki, mai shekaru 25 da haihuwa, yana cike da kuzari. Ya bayyana mana farko-farkon halartarsa gasannin kokowa. Eh, kokowa na fara ta shekara ta 2022. Na yi sai da yawa a mai Shekara ta ta zagayo, na yi sha da a Difa, koko Difa. shekara mai zuwa a gadas na buga goma kuma ina so in Allah ubangiji ya taimake ni zuwa gaban ƙarfi na ƙarasa zuwa in samu takobi duk abin da kake dole ne ka samu wata matsala eh, gaskiya ana samu ba ba a samu ba saboda ita ko kuwa mu mun dauke ta sana'a kuma gaskiya mu alhamdulillah saboda iyalin mu da iyayen mu haka mun samu wani abu su ma suna samu arzika isa kocin wannan matashin dan kokowa yana sa ido kan tashin wannan dan kokowa kamilu dan kokowa ne matashi sabon tashi ne saboda nan da shekara biyu ɗan sai da yawo ne muka gani yana da kwakwari muka sa shi cikin karin goma yanzu a cikin karin goma ma mun gani vraiment yana, yana da avantage sosai sai da yawo 66 kilo ne wanda yake yayi 66 kilo dezan da ya zo muka ga ya kai kusan 80 a 85 sai muka ce to wannan bari mu hudda shi sai da yawo ya shiga cikin karon goma tunda shi koko in ka duba a Niger kana da 85 kilo sai kai kokowa da mai 120 kilo ga abokansa Kamilu Lawan dan kokowa ne mai cike da fara'a wanda ba ya da girman kai a cewar su sai an bada labarin sa a shekaru masu zuwa Kamilu yaro ne mai basira kuma yana da hazaka me hazaka kamar yana da niyya ya zo kokowa kokowa yake ba maganar wasa abuta sai an zo gida ake abuta amma idan ya ta hili kokowa abin da ya kashi kokowa na kamilu haka ne kokowa insha Allah kuma muna sa rai Allah ubangiji ne bai kadar ta yanzu da rabo ba amma nan gaba kaɗan za a sha mamaki matashi dan kokowa kamilu lawan yana fatan kasancewa tauraro ga yankin difa Voilà, après ce portrait très inspirant, dégustons ensemble notre dernière musique prévue dans le menu d'aujourd'hui. On écoute le titre euh, Jagab de l'artiste Barakina Bawal. Shaka. Munza mtio ido, ido, ido, ido, ido, shaka. Munza sujan ido, ido, ido, ido, ido, shaka. sun sa mun ido, ido, ido, ido, ido, shaka. Mr. Diddy give me something, shaka. Cara da game de soltão Chaga Cê caga com a shaka, shaka, chaga, chaga Chaga Mr. G, they give me something. Cara daga me the something. Say kaka po waya jiki. Shut up, shut up, shut up, shut up. Ansa mungido. Akwai mama su shi hana. Na shawo ido. Amma ba su ga samu Wombo lombo, wombo lombo. Kamo kodo, rabona na kusala. Wombo lombo wongolongo kama kodora bonana kusana na zagina ace ina nan ace ina can ga dai mun kai ba wallahi ba su san can ace ina nan ace ina can ga dai kai ba wallahi ba su san ido, ido, ido, shaka. Mun zamci ya ido, ido, ido, ido, ido, shaka. Monsa sujan ido, ido, ido, ido, ido, shaka. Sun samun ido, ido, ido, ido, ido, shaka. Mr. D, they give me something, shaka. Kara daga me da sautin, shaka. Seka kaga kowa shaka, shaka, shaka, shaka. Mr. D, they give me something, shaka cara da gamele soltão. Zé cada coaia de que. Xaga, xaga, xaga, xaga. Mun shigo a fati yau akwai su papi cilo Yan adawa can a zaure ga muna a halo Ko da muka shigo yan mata suke ta follow follow Da muna saye da black and yellow Flow kike so baby follow me Guys kike so baby follow me Money kike so baby follow me Mr. Safe, Google up sound Shut Mr. DJ give me something Shut up got me the something Take a go wire shiki. Shut up, shut up, shut up, shut up. Mr. G, they give me something. Shut up. Para dog, I'm in the southern. Shut up. Say, I got she shiki. Shut up, shut up, shut up, shut up. Voilà, chers auditeurs, euh, à l'instant, c'était bien le titre euh, Jagab, chanté par l'artiste Barakina Ban Allah. Alors, on, l'annonçait en début de l'émission, c'était prévu que nous ayons dans ce studio notre invité du jour, euh, Ibrahim, le deuxième secrétaire du comité directeur, le deuxième secrétaire adjoint du comité directeur de l'USN. L'homme propose, Dieu dispose. Très malheureusement, il n'a pas pu se déplacer pour arriver à temps dans cette émission. Alors nous allons partir avec euh, l'entretien que capitaine Samaïla Arzika nous a accordé, bien évidemment dans le cadre de la lutte contre la désertification et l'autosuffisance alimentaire. Donc euh, il est conseillé aux agriculteurs de la zone de Filingué d'appliquer la régénération naturelle assistée. Qu'est-ce que la RA Quand et comment se pratique-t-elle quels sont ces avantages Bien sûr, capitaine Samaïla Arzika du service départemental de l'environnement de Filingué explique. Sassaben zamani da kuke gani kamar husaha ce wadda ta tahi bisa wadda an ka ɗora yi da sai an ka gyara waccan wadda ake yi da an ka ƙarfafa ta don a samu yawanta itatuwa cikin karkara. To kamar shi wannan sassaben zamani a ina ne ya kamata a yi shi? Eh, in ta kamata a ƙarfafa shi general ma inda kuka gani inda aka ce sassaben zamani ina ake sassabe cikin gonaki waɗanda ake cikin noma nan ne ta kamata a ɗora yin sassaben zamani a ba a zo cikin makiyaya ba ba a yin sassaben zamani cikin makiyaya tunda ita makiyaya ba manoma ba ce shi sassaben zamani inda ta kamata a yi shi cikin gonaki waɗanda za a nomawa. kamar a wani lokaci ne ya kamata a yi wannan sassaben zamani sassaben zamani kwarai ko yana da lokaci da yake kun san bisa ice ne ake taɓawa. icce ya ɗauki lokaci biyu gare shi wanda ake taba shi a sare shi idan ya ji daɗi ya zamanto kamar lokacin kamar bazara lokacin da yake fara sabin kunnan nan lokacin nan ne in kuka ɗauka lokacin na ake yin sassaben zamani yana da kuma lokaci na biyu na kaka lokacin da kunnan waɗanda ya yi da bazara sun zama tsohin kunne suna butun su kakkaɓe to lokacin nan kuma ka ga lokaci biyu gare shi amma in ka ce ka zo ka yi cikin wani lokaci sai ya kawo mishi illa iccen sai ya mutu shi ka so ake karayar da shi menene sassabe yake da yana sa icce kamar yaro ne tsoho ne in ka zo kan mishi wani kuskure ma ka sa cikin kwandishon ka ba shi abinci mai lahiya to lokacin nan sai ka ga kamar ƙarshen shi ya dawo yana koma yaro to haka ne sassabe yake kama ka rage mishi nauyi ne ga jiki ne kaga sauran da adda na iya rike su eh haka ne kaga sai yarin ta ta dawo mai wani irin unhani ne waɗanda suke yin sassaben zamani na za su iya samu unhwanin sassaben zamani yana da yawa na ɗaya kaga dabar mu ɗauki bisa kariya kariya yana kare ka in kai sassaben zamani za ka samun yawan itatuwa cikin gonakinka kuma masu nagarta wannan itatuwa da ka bari cikin gonarka masu nagarta su ko za su kare gonarka abur da iska wannan mai zuwa ya share maka takin gona ya kai wani wuri da zahin rana nan da yake bugun wuri ko ina sai zamanto gonarka zai ta zamanto akwai inuwa da kowane wuri kaga zahin rana ya rage na biyu zai kara maka karhin gona me miye karhin gona saboda itatuwan nan suna yin kunne bayan ce muku kamar itatuwa kunna itatuwa in suka hito suna tsuhuwa sai suka kaɓe in suka kakkaɓe kuma wannan kaga wannan ihi da addakwai in suka sabka cikin gona wannan ihin sai sa kunnan iccen in suka faɗi iska bai ya ɗauka su ya kai cikin wata gona sai dai in ya ɗauko da iska ya ɗauko wani taki-taki da waccan wata gona ya kawo sai ya ƙara daddala waɗannan kunne kaga sai su rube sun ƙara maka taki zai sa kuma misali bisa bisashe su ɗora ziyartar gonarka kuma lokacin da ka tashi gyaran gidanka kaga ba sai ka tafi ga wani daji ba ko ko gona wani ka je ka saro magana ta gama ka da wani akwai cikin gona ka sai ka zo ka nemi in runhuwa ce za ka yi za ka samu iccen da kai runhuwa tunda in in kai sassaben zamani itatuwa ne masu nagarta za ka bari waɗanda zuwa gobe za su zama maka ko babban icce cikin gona ko ko iccen da za ka amfani da shi ciki sai ka zo ka sara ka je ka yi runhonka ka gyara kuma a lokacin da ka yi wannan sassaben zamani wannan sakwanni da ka zo ka sare ba zubda ba kake aje su kake tara su kake wuri guda in ka tara su wuri guda sai ka sa ƙasa ka taushe in su kwan kunnan za su bushe in suka bushe kaga lokacin nan uwar gida za ta zuwa ta samu itatuwa wuta ciki kenan kaga in kana da gona isassa itatuwa isasshi umar su za ka samu wata hudu wata biyar uwar gida samu itatuwan da kaga kai ma ka rage kuɗin sai itatuwa gidanka tunda mun san nan mu mutanen ƙauye mun yi aiki da ice da gas ba kowane gida ba da kwai gas kuma zai ƙara kamar kwari waɗanda ke gyara ƙasa tunda mazabnarsu ne cikin itatuwa in suka zo suka zamna cikin itatuwan nan su ko za su nasu aiki su jawo wani taki su jawo wane ne ko su mai kamar ƙasa hudodi waɗanda ruwa za su samu su ɗora shiga cikin ƙasa sosai da kyau kaga ya zamanto gidan wasu kwari kuma waɗanda ba za su samu su cuta ma shimkakka ga ƙarin kuma ragin zahin yanayi tun da canjin yanayi wannan da kuke gani ya sa zahi wanda ba na misali ba wanda aka san ya haƙarin mutane amma kaga wannan cikin wannan wurin inda kai sassaben zamani itatuwa sun wadata sosai yawan itatuwan da akwai zai rage kamar carbon da ake cewa cikin iska zai taimaka mana wurin gyaran yanayi abin kuma damana sai sai ta ƙara sabkowa. Voulez-vous connaître les artistes nigériens? Voulez-vous avoir des notions sur la technologie de l'information du cinéma nigérien Est-ce que la vie dans nos régions vous intéresse, ainsi que le sport, les questions de justice et de santé L'environnement et le changement climatique le portrait des hommes, femmes et jeunes nigériens. Alors câblez-vous sur votre émission Le Niger sur Kalangou. Le Niger sur Kalangou est une émission qui rythme la mi-journée du lundi au vendredi sur le réseau des radios partenaires de Studio Kalangou. Le divertissement et l'information sont au cœur de cette production. C'est la deuxième partie de notre entretien, la RNA présente de nombreux avantages aux communautés villageoises pour leur permettre de s'adapter au changement climatique en renforçant leur résilience. Comment vulgariser cette technique au profit des populations Quelle différence entre la RNA et la pratique traditionnelle Suivons les éléments de réponse avec le capitaine Smaïla Arizika du service départemental de renvironnement des filingués, Il est au micro Bagassa. isar da wanga ilimi ga manoma wanda ya kamata su yi unhwani da wannan sassaben zamani hanyoyin da muke bi kamar yanzu ga hanya ce wadda ta gidan radiyo hanya ce ta ɗai in eh, yanzu in aka sashi ga radio kowa zai samun bayani na biyu kamar lokacin da masu hauni da shuni suka zaka sun kace a za su yi wasu ayyuka kamar da dai irin haka za mu zuwa karkara karkara mu tara mutane na gari inda suka dace inda su masu hauni da shuni suka ce suna son su su taimaka sai mu zo mu tara mutane mu gargade su mu sai mu sa a ce to kowa ya ba da sunan shi duk mai so a wannan sassaben zamanin kaga hanyoyin da ake muke shiga muna galgadin mutane su ƙara ƙarawa kun muna haɗa musu umarnin shi akwai na uku wanda ba mu taɓa yi ba kamar mu ɗauki mutane mu kai su kamar yawon buɗe idanu shi ke sa mutanen karkara su ga tabbat zahiri misali yanzu na in ka ɗauki Nijar an san akwai karkara wajen tesa wani gari da ake cima dan saga ko amerika ka zo in ka tambaya za a ci maka ko in ka shiga google ka tambaya za a ci maka gashi su sun shahara wajen wannan abun tunda sun san umarnin shi kaga ana ɗaukar mutane har da wajen chad da wajen burkina faso suna zawa su yi ziyara su ga wannan to mu kaga mu da annan cikin ƙasa har yanzu mu fara samu wannan fallaba da nan mu ɗauki kurhan ga sai mu kai su ce wajen mu gwada musu ce to kun gani su tambayi talakawan uhani mi kuka sami bisan nan tunda su can bisa wannan sassaben zamani har ice icce suka kafa kenan su saro icce ka saro iccen gona ka zo ka kasa a saida gari ya samu unhani kai ka samu unhani muna son mu shi menene bambanci sassaben zamani da wancan sassabe na asali da aka sani suna da bambanci bambancin shi da wance ne kasan shi wance ne bai da kamar ne ka zo kaga icen da ya maka gare shi dai ne kake bari cikin kama sakon ice guda sai ka bar da guda ko da biyu amma shi ko wanga da ya zo an sa ka haka binciki in akwai wani icce wanda ka ga sabon ciro wanda hito cikin gonarka sai ka yi tattalin shi me za ka tattalin shi tun saboda kai manomi ne kai sai ka mishi shaida da wasu 'yan tsumajajjaye da ko noma kake kashe shi kaga iccen babu shi cikin gonarka amma na da babu ruwan su da wannan sassaben da ba aiki da wannan waɗanga dai mayan ne ake diba a gyara amma shi ka wanga kaga sai a samu a bar gagin sai a ce to kamar cikin eka ana son a bar kamar gindi duk tsakanin metar biyar a bar gindi guda kaza zai ba mu wajen ice 225 za a bamu ga eka guda wanda ta kamata a bari in son samu ne da sabon da wanga wanda aka wanda kamar sabon ciro wanda aka gani wanda babu shi cikin karkara ko babu shi ma cikin gonarka eh ka gani bambancin su kenan kuma da kulawa ya sa mutane sun karanci ba kamar da ba yadda in ka sassabe can kai wani biyo dan wanka ne magani, sai ce bari ya kashe amma shi wanga sassaben zamani ya kawo hankalin mutane ya kawo da cewa ya sa ka kiyaye hakkin ko da dan uwanka ne duk abin da ko dan uwanka ne in bai baka ba in ka je kai ka mishi banna kuma ka mishi asara kuma Allah zai tambaye ka kaga bambancin shi da wannan ya sa mutane sun gane da halak da haram eh ba ni zuwa gona wani in saro iccen shi tunda ban tambaye shi ba bai bani ba ko ka ga ice gona wani kana son ka ibo. cikin zonnikin da ake sassaben zamani sai ka zo ka tambayewa ne kai na ga ice kaza gona ka ka bani a sai ci maka abare ina zuwa yan saro maka tunda shi ya san irin saran da zai mai don shi yana son ya tattala icen shi amma in ya ce maka je ka saro kai abin da kake bukata ne sai ka je in sama ne kake so ka sare tana yiwa in ka sare ya mutu bai sake abin nan kaga bambancin su da wannan cikin pratik yawan itatuwan da ake bari cikin gona cikin sassaben zamani da irin itatuwan sun bambanta da nada to ka ji bambancin shi da wannan shi wanga ana nuhin zai kare gonarka gaba ɗai da iska wanga na zamani da zahi da bugun ruwa da kariya da yawa to wani kira ke gare ku zuwa ga manoma musamman bisa unhwani da wannan eh, sassaben zamani kiran da gare mu ga manoma kira ne mai ƙarfi sabida in suka nura rashin iccen gada ya tunno mana kai yan aka dibi lissahi ga shekara talatin ko arba'in da suka wuce ba wasu irin itatuwa sun kawar sun bar mana abin amma kamar yadda na kwatanta muku ga sassaben zamani iccen da ka gani ma babu cikin karkara kaga Allah ya yi cirin shi kana tattalin shi kaga zai sa wannan icce ya dawo cikin karkara in ya dawo kaga ba riba ka bane kai kadai riba kowa da kowa ne cikin karkara tana yiwa akwai wasu masu iban magani masu wani maganin zahi wani wane ne za su ɗora zuwa suna amfani da shi kenan in mun kai banza da aikin sassaben zamani kun ga dai itatuwa yanzu ko ka dasa ba su tsayawa tunda baka iya zuwa kullum kana ba su ruwa dole ne sai mun karfa wannan sassaben zamani don mu samu ceci karkarar mu ga wanga canje yanayi da tunno kai kenan in muna son damana ta dawo muna irin nada sai mun bar itatuwa isasshe Le studio Kalangu, un projet de la Fondation Hirondelle financé par la coopération suisse, le Fonds international pour les médias d'intérêt public, la Grande-Bretagne et la Belgique. C'était l'entretien du jour réalisé par Abdoulaye Bagassa. Sinon, nous, on passe à présent au loti du jour. Oui, euh, Mariam, le loti de ce lundi 19 août 2024 nous parle des dépenses ostentatoires dans les cérémonies de mariage et souvent, la charge de ces dépenses retombe sur euh, le futur jeune marié qui, pour se plier aux exigences de sa dulcinée, pourrait être contraint de s'endetter. Quelle explication peut-on donner pour euh, ces dépenses Réponse à suivre maintenant avec euh, Zainabou Abdou, Aminata Boubacar et Ismaël Harouna. Je ai Wallah, je n'en peux plus. Où vais-je trouver toute cette somme À chaque fois, vous ne faites que me demander de l'argent. Le jeune marié. Mon cousin, qu'est-ce qui ne va pas On t'entend depuis la porte. Hum, vraiment, cousine. Elle me fatigue beaucoup. Hier seulement, elles m'ont demandé 250 000 pour la cérémonie traditionnelle qui aura lieu la semaine prochaine. Donc, hier, tu avais donné 250 000 à la jeune mariée. Hum, Donc, à moi, je pense que c'est toi. Hein. Oui, c'est avec ça, elles vont faire la décoration, la sonorisation, l'invitation des artistes percussionniste la tenue traditionnelle de la jeune mariée et des filles d'honneur aussi. Ah, d'accord. To, maintenant c'est quoi le problème hum, Cousine, le problème est que la jeune mariée vient tout juste de m'appeler pour me demander d'apporter 500 000 francs encore pour les deux autres cérémonies traditionnelles restantes. 500 000 Elle croit que tu ramasses l'argent ou quoi Vraiment, c'est trop. Attends, donc si je comprends, elles veulent faire trois cérémonies traditionnelles pour un seul mariage Justement, ah, attends, attends. Pourquoi faire autant de dépenses Ils auraient dû programmer les trois cérémonies traditionnelles ensemble. Ce n'est pas mieux. Exactement. C'est ce que j'essaie d'expliquer à ma future femme. Mais elle refuse catégoriquement de comprendre. Anifa a refusé. Wallah, cousine, elle refuse. Attends, sort ton téléphone et appelle-la. Je lui parlerai personnellement. Mais c'est quoi ces manières Faire trois cérémonies traditionnelles pour un seul mariage Elle croit qu'on ramasse l'argent ou quoi Allô Oui, chérie, comment tu vas <laughs> Eh, justement, je t'appelle concernant les trois cérémonies traditionnelles. S'il te plaît, chérie, on en a déjà parlé. Ça sera trois cérémonies traditionnelles successives. On ne peut pas les faire ensemble. On fera la cérémonie traditionnelle de l'ethnie de mon papa, celle de ma mère et celui de votre ethnie, comme je vais bientôt intégrer votre famille. On s'est déjà mis d'accord sur ça bien avant que tu n'amènes ta dot, ou bien Oui, mais je ne savais pas que euh, ça demandait autant de dépenses. Chérie, 750 000 pour les cérémonies traditionnelles seulement. Hé hey, chérie, Bani, Bakaraïse, Walaïsigin non Hé, eh, tu sais qu'on ne peut pas changer le programme en moins de deux semaines de la fête. J'ai déjà informé les gens. Que vont penser mes amis Il ne faut pas me mettre la honte, s'il te plaît. Diam, je ne vais jamais te hey, Passe-moi le téléphone. Belle sœur, nous te comprenons mais elle vient de réaliser que tout ça engendre énormément de dépenses. Avec les 250 000 qu'il avait donnés, vous pouvez faire les trois cérémonies traditionnelles ensemble. Et aussi, les invités peuvent par exemple porter chacun sa tenue traditionnelle. Mais les gens ne vont pas aimer. que toutes mes amies qui se sont mariées ont fait leur cérémonie traditionnelle séparément. Pourquoi c'est à moi de les combiner Si c'est le cas, je vais tout annuler même. Ah non, non, non, non, belle soeur, faut pas tout annuler. Nous devons juste essayer de nous mettre d'accord. Faire des cérémonies traditionnelles est une bonne idée parce que ça nous permet de découvrir nos traditions. C'est juste que s'il dépense le paix qu'il a dans votre mariage, qu'est-ce que vous allez manger après le mariage, hein? Tu voudras également vivre dans des bonnes conditions après le mariage ou bien? Oui, belle sœur. Et n'oublie pas aussi la cérémonie du cocktail, qui demande d'ailleurs beaucoup d'argent vu le nombre d'invités, sans compter l'argent de la dot qu'il a amené, l'argent de la tresse, du henné, des maquillages, etc. Ne regarde pas ce que vont penser les gens. De toute façon, ils vont sûrement critiquer. Donc, il faut planifier les choses en fonction des moyens de ton mari. Si avait les moyens, il n'y a aucun souci. Vous pourriez même faire les cérémonies traditionnelles de toutes les ethnies du Niger. Tu as vraiment raison, belle-sœur. Maintenant, comment on va faire j'ai déjà informé tout le monde et la cérémonie c'est dans deux semaines. Ah, ne t'en fais pas ma belle. Vous pourriez juste faire une des annonces. En annonçant que toutes les cérémonies traditionnelles seront combinées. Il y aura des artistes qui vont bien animer, il y aura des belles décorations et les invités seront libres de porter leur tenue traditionnelle. Et tu verras ma belle comment la cérémonie sera grandiose. Cela permettra aussi à chacun de promouvoir son ethnie. Voilà, c'est ce que je lui disais depuis. Vraiment, c'est une bonne idée ça nous empêche aussi de faire beaucoup de dépenses avec les trois tennis traditionnels, surtout nous les filles d'honneur. D'accord. Merci beaucoup pour vos conseils. Et désolé aussi, chérie, d'avoir contesté ta décision. Ah non chérie, tu n'as pas à t'en faire. Tout est bien qui finit bien. <laughs> voilà. Merci également à ta cousine d'avoir vraiment intervenu. Sinon, elle n'aurait jamais dû, pu accepter. Hein. Ah, pas de quoi frangin, c'est la moindre des choses. Et aussi merci à toi également belle soeur, pour la compréhension. Tout. Puisque les trois cérémonies traditionnelles seront organisées ensemble, cousin, il faut leur augmenter un peu d'argent pour que la cérémonie soit inoubliable. Ou bien belle-sœur. <laughs> en tout cas, ton idée n'est pas mal. Ah Aha, aha. Vous recommencez. C'est les Allemands qui disent oui, bon, Bon, d'accord, il n'y a pas de problème, je vais augmenter. Ok, chérie, je te laisse à tes occupations. Prends soin de toi. D'accord, chérie. Fais pareil de ton côté. À plus. Belle sœur bye. Bye, bye. Chers auditeurs, c'était le loti du jour. À présent, retrouvons Samira Omoru pour la culture linguistique en anglais et en français. Le mot de la semaine est inondation. Ladies and gentlemen, good morning and welcome to your show Culture linguistique. Chers auditrices et auditeurs, bonjour et bienvenue dans votre rubrique culture linguistique. La saison pluvieuse est une période qui se caractérise par une pluviométrie beaucoup plus importante. Cette semaine, nous venons avec le mot inondation, qui est la principale conséquence liée à une saison pluvieuse. Une inondation est une submersion des terrains envoisinant le lit mineur d'un cours d'eau. Inondation en anglais veut dire flood. Flood is an overflow of water onto normally dry land. Let's take an example. The rivers are close to flooding. That means les rivières sont proches des inondations. The valley flooded after the heavy rains, qui signifie que la vallée est inondée après les fortes pluies. L'impact de l'inondation peut aller de l'endommagement à la destruction partielle ou totale. Elle rend également vulnérables les différents réseaux, notamment celui du transport. The impact of flooding can range from damage to partial or total destruction. They also make the various networks vulnerable, particular of transport. Ladies and gentlemen, that's all for today. Chers auditrices et auditeurs, nous voilà à la fin de notre rubrique. On se dit au revoir et à très bientôt. Voilà, chers auditeurs, euh, c'était là la rubrique euh, linguistique en français et en anglais avec euh, Samira. Continuons cette fois-ci avec les messages vocaux de nos auditeurs. Vous écoutez le Niger sur Kalangou. Studio Kalangou vous écoute. Des idées, des questions, des suggestions. Tapez 82 89 89 64. Studio Kalangou vous écoute. Message des auditeurs. Aïma Sad, the editor Studio Kalangou, kalla masha Allah rigo mai ikani gumo zama wargadu information ni labo bon ku kan wotan labo ne ga mara da ballakin no ne ga ma da fulan sanno ne ga ma da gurmakin no ne ga ma aya da ga mil Niger ki ne kuli gida no di me sabi no bore se ayo sun radio kai kan mo kama dis di kula ai radio dai no ya digina dai ai ga wanda kai yesi Aisha da Ajja Fati tapuwa ni wayoyin kai yesi ai ma ga tiam su tubu bakar sai radio kalangu tan me ke ga te tan bobo no surtout man kan ga wor bore gunadin ga dai no bor ga hanga ganda bayan don kai kulkan ga bare gurmo ne bai kai ruwan da fano zama a bonno irga jerir mu irwan ne sensibilisation ne da highway bon fera ka irga tewo bare sai foi da bara ku dal bare tam kulkan yi tewo a gonda na faya din ga irwo irga hangan ta mai kulka yi ta iman ne wai man ne ta mai kulno ga bori donc La chère auditeur, nous sommes à la fin de cette édition de votre émission Le Niger sur Kalangu. Vous étiez en compagnie de Mariam Adé et moi-même, Ali Moukela Ousseni alias Seno. Le plaisir était grand de partager ce moment avec vous, chers auditeurs. Le rendez-vous est pris pour euh, demain avec euh, un nouveau numéro. À la technique, c'était Issa Lawali et Adama Dawaki, la grande dame. À l'édition, c'est on s'est dit. Bon début de semaine bye à bye. tous et à toutes.